Signalons tout d'abord l'arrivée le samedi 4 mars 2017 d'une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies conduite par le représentant du Royaume-Uni aux Nations Unies, président du Conseil de sécurité et les représentants du Sénégal et de la France aux Nations Unies. Objectif témoigner du soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies au Niger à faire face à la situation d'insécurité et de crise alimentaire qui prévaut dans la région de Difa. Alexis Lamec, représentant permanent adjoint de la France aux Nations Unies. Nous avons tous à l'esprit la crise sécuritaire, la menace que représente Boko Haram il y a aussi évidemment une crise humanitaire immédiate, il y a les effets du changement climatique, il y a euh, des difficultés de nature euh, économique. Et donc, euh, il y a bien sûr des formidables enjeux, défis du développement. Et donc, la leçon que nous avons tirée en venant ici, c'est de comprendre à quel point toutes ces questions étaient liées. Le défi pour nous aujourd'hui, Conseil de sécurité, c'est d'arriver à prendre en compte ces questions. Sur le plan sécuritaire, toujours, l'attaque terroriste qui a endeuillé pour la énième fois le Niger. Dans la nuit du dimanche au lundi 6 mars, un détachement de la gendarmerie nationale a été l'objet d'une attaque entre Wanzarbe et Atakala, comme Rural de Goroual, département de Terra, dans la région de Tilaberi. Le bilan officiel fait état de cinq gendarmes tués. Et puis célébration de la Journée internationale des femmes le mercredi 8 mars dernier, une célébration devenue au fil des années un événement considérable. Au plan national, le thème retenu était l'autonomisation économique de la femme, quelle contribution pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Une conférence débat a été organisée par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Palais des Congrès. Madame Maina Fadjimanta, cadre du ministère de la Promotion de la Femme. Cette année aussi, on a retenu ce thème-là pour mener des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes rurales pour qu'elles soient appropriées du thème, qu'elles prennent conscience de leur situation, pour qu'elles puissent vraiment participer valablement au développement de ce pays. Suite à cette euh, conférence, il y aura des recommandations et on va définir des stratégies pour vraiment nous permettre d'atteindre ces ODD grâce à l'appui de nos partenaires, les stratégies et les recommandations qui seront issues de cette conférence seront mises en œuvre euh, en fonction de leur appui. Sur le plan éducatif, le bras de fer entre les syndicats des enseignants et le ministère de l'Éducation continue. La synergie syndicale Cause Niger et Sinaseb a lancé un mot d'ordre de grève de cinq jours à partir du lundi dernier et le lendemain, ces syndicats ont organisé des marches dans toutes les régions du Niger. Ils ont dénoncé, je cite, le non-respect par le gouvernement de ses engagements pris et protesté contre la question de l'évaluation des enseignants. Le Conseil d'État a donné raison au gouvernement dans ce dossier, le ministre de l'Éducation Daouda Marté a invité vendredi au cours d'un point de presse les enseignants à obtempérer à cette décision. Autrement, a-t-il dit, ils seront considérés comme des non-enseignants selon ses propres termes. Des propos qui n'ont pas laissé indifférente la synergie cause Niger-Sinaseb qui a réagi hier matin. Ces structures parlent de menaces et d'accusations portées à l'encontre des enseignants par le dit comité. Par ailleurs, ces syndicats ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de boycott de l'évaluation des enseignants prévu par le ministère de l'enseignement primaire et projette d'observer une nouvelle grève de cinq jours à compter de demain lundi 13 mars 2017.